le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio du studio Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être à l'écoute du forum du studio Kalangou. Au micro, c'est Hamadou Moumouni. Les programmes du studio Kalangu sont diffusés à Niamey sur Alternative FM 99.4 et en Fanny FM 100. Vous pouvez aussi nous suivre à travers le réseau des radios partenaires dans l'ensemble des chefs de région et dans les localités d'Arlit, Filengue, Berningaouré, Tirozérine, Magaria, Ménensourois, Tamaské, Bouza, Dolbel et Saï. Pour le forum de ce lundi 5 décembre 2016, nous avons retenu pour vous le thème de l'élimination de la violence à l'égard de la femme. La journée a été célébrée le 25 novembre dernier, mais la campagne des 16 jours d'activisme continue. L'objectif étant de susciter la mobilisation des différentes couches sociales pour bien sûr éliminer les violences à l'égard de la femme. Le Niger participe à cette dynamique que l'Assemblée générale des Nations unies a enclenchée depuis 2009. Au Niger, les données de l'UFP relèvent par exemple que le mariage précoce est récurrent au Niger, donc avec 61% des filles entre 15 et 19 ans qui sont mariés et 28% avant l'âge de 15 ans. C'est le taux de mariage précoce le plus élevé en Afrique de l'Ouest. Les violences faites aux femmes, qu'est-ce que c'est À quel type de violence nous avons affaire Qui fait ces violences et pourquoi Quelle est la situation actuelle et comment elle évolue Voilà des questions auxquelles ce forum tente de répondre pour cela, nous irons à Maradi, qui dispose d'un centre d'écoute des femmes victimes de violences, puis à Dosso, où la sensibilisation sur les conséquences des violences faites aux femmes est en train de porter ses fruits. Beaucoup commencent en tout cas à comprendre que marier une fille très tôt n'est pas une bonne chose. Nous avons aussi des invités, des acteurs très imprégnés de la situation. Il s'agit de Madame Wassa Djatao, présidente d'honneur de la Congafen, euh, qui est là avec nous. Elle va se présenter. Bonsoir madame et merci d'être là. Bien, merci aussi de nous inviter pour prendre part à, une discussion sur un thème qui nous prend à cœur, les violences faites aux femmes. Merci madame d'être là. Nous attendons d'une minute à l'autre d'autres invités. Voilà, euh, alors nous allons lancer tout de suite le débat avec euh, la définition des violences faites aux femmes. Et là, je vais demander directement à Mme Wassa, qui est déjà dans le studio avec nous. Et j'annonce l'arrivée de M. Wali. Bonsoir M. Wali. Bonsoir Monsieur. Vous allez vous présenter à nos auditeurs. D'accord, moi je suis Wali Ouvakar, je suis sociologue de formation. Merci d'être là. J'ai eu à travailler à la et à l'Association nigérienne pour la défense des droits de l'homme. Voilà. Merci beaucoup d'être là. Bon, vous qui êtes sociologue, on va commencer par vous euh, sur la définition des violences faites aux femmes. Violences faites aux femmes, qu'est-ce qu'on veut dire par là euh, Par violence faite aux femmes, il faut voir tout acte contraire à la loi qui porte préjudice, qui porte préjudice sur la femme. Ça peut être des préjudices d'ordre physique, moral, psychologique, etc. Donc c'est ça qu'on appelle violence faite aux femmes. C'est-à-dire quand on tape la femme, c'est une violence. C'est une violence, oui. Une violence. Quand on tape la femme, c'est une violence physique. Pour n'importe quelle raison Pour n'importe quelle raison, on n'a pas le droit, quel que soit un droit moderne et un droit religieux, on n'a pas le droit de frapper, la femme. Même en droit religieux, on dit les conditions par lesquelles on doit taper la femme. Il y a plusieurs conditions. Au Niger, il y a une loi qui le dit. Au Niger, il n'y a, a, pas de loi qui le dit, mais le code pénal est puni ce type de violence. Et actuellement, il y a un service au niveau du commissariat central qui a été mis en place qui est en train de reprendre les, violences qui sont exercées sur les femmes. Euh, le service est là, il est dirigé par une commissaire divisionnaire à la personne de Adiza, commissaire Adiza qui est là. Tout acte qui a été dénoncé, elle porte euh, le, le flambeau pour aller vraiment investiguer sur la question et punir les acteurs ou les actrices qui ont commis cette euh, violence sur la femme. Alors, puisqu'il y a une loi, il y a une définition juridique, quels sont les types de violences auxquelles on a affaire au Niger Bon, au Niger, principalement, euh, on a, affaire à la violence physique, sexuelle et psychologique. Euh, la violence physique, c'est, comme tu viens de le dire, c'est euh, mettre la main sur une femme, ou bien la taper, ou bien exercer la violence sexuelle là-dessus, sur la femme la forcer à faire euh, des rapports. Hein. quant à la violence psychologique, c'est généralement dans les écoles qu'on rencontre ce type de violence. Et quand par exemple l'enseignant ou l'enseignant, l'enseignant généralement les enseignants, monnaient les, notes euh, par rapport à, à, entre le sexe, donc ça c'est une violence psychologique parce que c'est à l'encontre, c'est contre le vouloir de, la, de, la, de la jeune scolaire. Il y a les violences euh, sexuelles qui sont généralement aussi dues, euh, telles que les mariage précoces et forcés, C'est des violences euh, vraiment sexuelles qui sont exercées sur les femmes. On va aller avec Mme Wassa qui va nous donner <laughs> sa définition en tant que femme. Quand on vous demande qu'est-ce qu'une violence faite aux femmes. Bien, merci. le problème de violence est tellement important que les Nations Unies ont pris une loi en 1993 pour l'élimination des violences faites aux femmes. Donc tout acte de violence dirigé contre le sexe féminin et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques. Vous voyez, parce que quand vous parlez du mariage précoce, le mariage précoce, c'est une violence physique et psychologique. Parce que quand on marie une jeune fille sans, sans son consentement, c'est une violence et même en matière juridique, parce qu'elle n'a pas donné son, accord. On la marie, on l'expose à une grossesse qui va amener des, répercussions physiques qui peuvent même la tuer. Donc vous voyez, or elle a droit à la vie, elle a droit à la santé. Donc vous voyez, la violence euh, se définit comme acte qui peut entraîner un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques. Vous qui êtes sur le terrain avec les femmes, et qui savait comment ça se pratique. Oui. Comment, euh, quels sont les types de violences auxquelles vous avez à les, faire face Les violences dans le couple, c'est souvent les violences psychologiques d'abord. On commence par insulter la femme, on commence par la minimiser, toi tu n'es rien, tu ne peux rien faire, etc. Et ensuite, on commence par les coups. On continue par les coups. On dévalorise la personne. On touche son amour propre elle n'est rien. Et ensuite, on finit par les coups. Et je vous dis, ça peut arriver jusqu'à tuer. Nous, on a vu des hommes qui ont tué leur femme. Il n'y a pas longtemps, Wally le sait, un homme a tapé sa femme parce qu'elle est venue juste réclamer sa pension. C'était une femme divorcée. Il l'a tapée à mort dans une concession où les gens n'ont pas du tout intervenu. La femme est décédée. La femme est décédée et il s'est sauvé. Et on a porté plainte à la Commission des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Et une recherche a été menée, on l'a retrouvée au Nigeria ou je ne sais pas où. vous voyez. Le monsieur a été condamné Il a été condamné, je suppose. Nous, on a laissé ça à la commission. Parce que vous voyez, donc, tout ça, c'est la, la, subordination qui amène ça. C'est-à-dire, on veut que la femme soit soumise. Qu'elle soit soumise à l'homme. Et ça, c'est culturel. Quand une femme n'est pas soumise, on la tape, etc., on l'insulte. Bon, dans d'autres contextes, c'est autre chose qui amène. Il y a la jalousie aussi. Vous savez, il y a des hommes qui, ont une jalousie pathologique. Hmm? Une femme est en train de téléphoner, on surveille, on contrôle tout ce qu'elle fait et on soupçonne. Alors dès qu'on soupçonne, on commence déjà à la dévaloriser, prostituer, etc. Est-ce que vous voyez Donc tout ça, ça amène à des coups à des problèmes psychologiques. Maintenant, on a constaté que les coups, souvent aussi, sont accompagnés de rapports sexuels forcés. Hmm? Quand on a fini de taper la femme, maintenant, on l'oblige à des rapports sexuels forcés. C'est ça le harcèlement sexuel, parce qu'il n'y a pas son consentement. Même avec sa, propre femme Mais bien sûr, mais eh, eh, eh, un rapport, il faut bien que la femme soit d'accord. La femme, ce n'est pas un appareil, quand même. Vous voyez, il faut son consentement. Alors, ah, sans consentement, on, tombe sur la femme, on, on a des rapports, mais c'est un viol. Même si c'est dans le couple, c'est un viol. Vous voyez, dans notre contexte, donc, on n'accepte pas que la femme refuse des rapports. Mais elle aussi, c'est un être humain. Est-ce que vous voyez Oui, vous avez bien cité des cas. Est-ce que vous avez des chiffres pour le cas du Niger Pour l'instant, le cas du Niger, nous n'avons pas de chiffres parce que justement, c'est tellement clandestin que même la police n'a pas de chiffres. Et ce n'est jamais écrit. Et c'est là qu'on voudrait en venir. Il faut que les médecins, les policiers qui reçoivent ces femmes-là, qui viennent se plaindre, il faut qu'ils aient un registre pour enregistrer. Quand une femme vient se plaindre parce qu'elle a reçu des coups de son mari, on banalise. Ah, c'est l'affaire de ménage, on ne peut pas, c'est pas la peine. Or, justement, on ne peut pas arriver à quelque chose tant qu'on ne fait pas des statistiques. Est-ce que vous voyez euh, Monsieur Wali, pourquoi il n'y a, pas de statistiques sur les violences faites aux femmes Il n'y a, pas de statistiques, comme l'a dit euh, Hajia, parce qu'il n'y euh, a pas de suivi. C'est le suivi qui manque. À un moment, l'ANDDH, à travers ses cliniques juridiques, a des registres qui font le suivi chaque année et dit les statistiques des plaintes qu'ils ont enregistrées et qu'ils ont accompagnées et traitées. Mais maintenant, avec maintenant l'absence de financement, l'association même ne fonctionne pas comme avant. Ensuite, il y a des ONG euh, au niveau national qui ont déposé des registres au niveau des commissariats, mais par manque de moyens, à n'y le suivi. Donc, il n'y a pas ces statistiques. À la rigueur, ce qu'on peut avoir comme statistique, c'est le nombre de divorces prononcés par l'association islamique par an. Ça, on peut l'avoir. Vous avez quelques chiffres, c'est ça Oui, on a des chiffres parce que ça dépend des années. moi, depuis un certain temps, je ne suis pas dans le milieu. J'ai pas. Sinon, avant, régulièrement, quand j'étais dans le milieu, j'ai les statistiques. Jusqu'en 2013, j'ai les statistiques, mais maintenant j'ai vraiment changé, comme j'ai changé de domaine, je suis pas dans le milieu, n'ai pas ces statistiques-là. il y a, on a vu, il y a beaucoup d'institutions, d'ONG internationales qui s'intéressent à la question de la violence faite aux femmes. Oui, c'est jusqu'à une époque. Il y a cette sorte de campagne euh, de séjour d'activisme. Mais avec tout ça, il n'y a pas de chiffres. Oui, ça c'était jusqu'à une époque récente. Jusqu'à une époque récente, jusqu'en 2014, l'activité était très bien financée. Parce qu'il y avait Oxfam Québec qui suivait ça. Ils ont mis en place euh, euh, un, cadre. de consultation, Mais depuis euh, la fermeture d'Oxfam Québec, le cadre de consultation là ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Pratiquement, quand vous constatez cette année, la journée n'était même pas célébrée. Il n'y a pas eu de lancement, il n'y a pas, a rien eu. Donc vraiment, ce qui fait que il y a pas, on ne peut pas faire le suivi et avoir vraiment les statistiques comme ça se doit. On n'a pas de chiffres, mais on connaît quand même les causes. Madame Wassa, quelles sont les causes des violences faites aux femmes au Niger Les causes, comme je vous l'ai dit, elles sont souvent culturelles. Causes culturelles Ah oui. Parce que souvent, on dit que la femme doit obéir à son mari. C'est simple. Il y a un proverbe qui dit Bat ta femme tous les jours. Si tu ne sais pas pourquoi elle, elle le sait. Vous voyez Ça veut dire que toi, tu as le droit de taper ta femme. Et elle doit accepter parce qu'elle se dit Parce que je suis une femme parce que je suis sa femme. Vous voyez Donc, euh, ces causes-là. Et c'est la règle au Niger ah, Bien sûr, surtout ici au Niger. Ailleurs, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a d'autres raisons. Par exemple, euh, les couples qui vivent euh, en concubinage, il y a aussi des violences parce que la femme veut quitter le, monsieur, il n'est pas content, il va la poursuivre jusqu'à la tuer. Parce qu'en Europe, il y a le problème de la drogue et le problème de l'alcool. Donc ils boivent, ils poursuivent la femme et ils la tuent. Il y a un, quota qu'on dit trois femmes meurent tous les 15 jours tuées par le partenaire ou l'ancien partenaire en Europe. Hmm. Ici, chez nous, c'est d'autres causes. Il y a la subordination, il y a la pauvreté, parce que la femme, elle est pauvre. On la tape, elle reste parce qu'elle n'a pas d'autres moyens. Hmm. Donc, elle supporte. Et là, c'est les violences économiques vous voyez, une femme, des fois, elle a son bac, elle a vraiment d'autres diplômes pour travailler, elle est universitaire, le mari s'oppose. Parce que, soi-disant, la religion ne veut pas que la femme travaille. C'est pas vrai. Dans la religion, tous les droits sont acquis à la femme, la religion musulmane. Hein? Il y a des hommes qui s'opposent uniquement parce qu'ils ne veulent pas que la femme ait un niveau économique plus important qu'eux. Vous voyez Même les femmes. C'est la peur de, se faire. Euh, oui. Euh, c'est la peur de se voir, euh, de voir la femme supérieure à lui. L'homme, on connaît. Hein. Un homme qui a une femme qui a un niveau supérieur, il n'est pas content. Il fait tout pour la banaliser. Oh, ton diplôme, ça ne vaut rien, etc. On connaît ça. Vous voyez Donc, il y a les problèmes économiques, il y a les problèmes psychologiques, il y a les problèmes sanitaires. Vous voyez, par exemple, moi, je m'occupe du sida. Dès qu'un homme sait que la femme est positive, il va la quitter alors que peut-être c'est lui qui l'a contaminé. Hmm? Souvent, les femmes font plus facilement le dépistage que l'homme. Parce que l'homme ne veut jamais qu'on trouve un tort sur lui. La stérilité, c'est pareil. Les couples qui sont stériles, ce n'est pas toujours la femme qui est stérile. Des fois, c'est l'homme. Mais il n'accepte jamais de faire les examens pour qu'on dise qu'il est stérile. Donc, vous voyez, ça, c'est une violence aussi en matière de santé. Hmm? Parce que l'homme ne veut jamais qu'on lui dise qu'il a ceci, qu'il est stérile, qu'il a un problème de fécondité. Et de l'autre côté, le, sida, c'est la même chose. Donc vous voyez, les causes là, elles sont, elles sont mitigées. Hein. Donc euh, on a toujours donné tort à la femme. Et il y a maintenant l'inégalité par rapport aux lois. Aujourd'hui, une femme va se plaindre, on ne va pas l'écouter. Comme Wali avait commencé à dire. On ne l'écoute pas. On écoute l'homme. La femme aujourd'hui, elle n'a qu'à aller demander le divorce, elle n'aura pas le papier. Alors qu'un homme, il va, il dit tout simplement qu'il divorce sa femme, il aura le papier. Ça, c'est une violence juridique. Tout citoyen est égal à l'autre. La Constitution le dit, la Constitution nigérienne. Les droits sont les mêmes. Hein? Mais pour la femme, c'est autre chose. Mais peut-être Wali va ajouter d'autres causes. Oui, mais merci. Les causes sont multiples et multiformes. Quand on prend du point de vue social, eh, il y a eh, l'aspect culturel, comme l'a dit Hajia, parce que la religion dit que la femme doit être soumise à l'homme. Donc de ce fait, mentalement, nos sœurs, nos mères, euh, nos grandes-mères sont, préparées mentalement pour être soumises à l'homme. Quelle que soit la violence que l'homme exerce, elle doit être soumise. Pour eux, l'essentiel, c'est que la femme assure la nourriture, l'habitat, etc., Donc, elle, doit avoir tous les droits sur la femme. Donc, il y a le, ce point de vue-là du point de vue social également, il y a maintenant, on constate la déprédation des mœurs. Les jeunes filles viennent avec l'avènement la, des télévisions, l'avènement des cellulaires, de WhatsApp et autres là. Les jeunes filles maintenant euh, s'en foutent avec les parents, sont très vite euh, renseignées sur la sexualité. Hein, et également aussi avec euh, les, téléphones cellulaires, le monsieur n'a même pas besoin de se présenter dans, sa belle famille, il suffit seulement de s'arrêter à la porte, appeler la fille, elle sort. Tout ça là, c'est vraiment c'est des événements qui ont amené à une fille que tu ne t'es pas présentée à la famille. Comment tu vas la respecter Quand elle te commet une petite erreur, tu te mets à l'abattre. Mais là, c'est la responsabilité. On va revenir sur les, responsabilités. Donc, du point de vue économique Mais quand même, euh, c'est la responsabilité de la fille qui est engagée ici. C'est la responsabilité de la fille qui est engagée. Et là, c'est l'éducation, à la base. Si la fille est très bien éduquée, elle ne peut pas se permettre de sortir à tour à travers. Hein? Quand tu viens, il faut que tu te présentes à ses parents d'abord. D'abord, elle n'a même pas le droit de sortir. Elle doit rester. Vous allez rester dans la cour pour, pour causer. Il faut que tu sois connu. Mais quand tu n'es pas connu de ses parents, tu sors avec elle, elle peut faire tout ce qu'elle veut avec toi. Il n'y a aucune preuve. Du point de vue économique aussi, il y a la pauvreté. La pauvreté qui se vit actuellement rend, amène nos soeurs dans tous les États. Tu veux avoir les mêmes habits que ta console, tu ne sais pas les conditions dans lesquelles elle a eu ça. Tu veux avoir les mêmes conditions, la moto, surtout maintenant c'est des motos nouvelles qu'on appelle X1 qui sont venues. Tu vas avoir ça, tu peux avoir des cellulaires, euh, comment on appelle ça Les cellulaires euh, glissants, là. Oui. Euh, tu peux avoir Android. ça. Android. Hein, à des coûts de 100 000, 250 000 ou des véhicules. Tu es obligé parfois d'accepter toutes les formes de, de, de, de, de tort ou bien de violence qu'on exerce sur toi pour pouvoir avoir ça. Alors là, nous amène à, chercher qui fait ça, qui fait la violence. Apparemment, ce n'est pas une seule personne. Qui sont les acteurs qui cause la violence Bon, les acteurs de la violence, euh, vraiment, c'est beaucoup. Il y a, d'abord la société. La société dans son ensemble. La société dans son ensemble. Parce que la société même a changé maintenant de, de forme d'éducation. Avant, l'enfant, c'est un enfant communautaire. Tout un chacun peut l'éduquer dans la, dans, la, dans la communauté. Nous, à notre temps, je me rappelle très bien quand tu commets une, erreur ou bien une faute très grave, pour tes parents ou des parents d'autrui, là, tu es corrigé par tout un comité. Personne ne va venir gronder dans, la famille. Aujourd'hui, même si je tape l'enfant de mon propre frère, c'est soit le frère, quand il va venir, sa femme va le, monter contre moi, il va venir me dire pourquoi je l'ai tapé. tout ça c'est des, comportements qu'il faut changer. Avant, quand l'enfant sait qu'il sera corrigé par toute la communauté, il a obligation de se comporter très bien. Donc, il y a la communauté. Il y a aussi l'homme. L'homme, dans son ensemble, et que ce soit la femme ou, le, monsieur, quand tu te vois un peu riche ou bien tu as un peu de moyens, tu vas exercer ce, moyen-là, quel que soit ce que ça va faire, toi, tu t'en fous. Donc, voyez-vous, donc tout, il y a ces deux niveaux-là de responsabilité, l'homme et la communauté qui sont responsables. Mais apparemment, quand on écoute Madame Ouassa, on a l'impression que c'est surtout l'homme, petit h, l'homme, l'homme tout court. Ou bien vous êtes d'accord avec Wali que. Non, l'homme, mais qui fait la société c'est encore l'homme. L'homme simple ou bien l'homme l'homme grand, grand H. D'accord. C'est lui qui fait la société. Les marabouts là et tout, ce sont des hommes. Hein, ce sont eux souvent qui disent que non, la femme doit obéir à son mari, elle n'a pas à aller travailler, elle n'a pas ceci, cela, elle doit rester éduquer ses enfants. Donc c'est l'homme, grand tâche. Et vous voyez l'inégalité là entre hommes et femmes, c'est partout, dans le monde entier. Jusqu'à aujourd'hui, les hommes ne sont pas d'accord pour que la femme prenne part à certaines décisions. Regardez les États-Unis, un pays comme les États-Unis. Hein? Le monsieur, il a gagné contre arrive parce que seulement c'est un homme. Moi, je suis persuadé que c'est ça. Ça, c'est mon point de vue. <laughs> Ailleurs, les femmes sont présidentes. Elle a beaucoup de prérequis, elle a un passé politique qui lui permettait au moins d'être la première présidente femme des États-Unis. Oui, au Libéria, on a une femme présidente, par oui, exemple. On a, parce que, ce c'est pas le même contexte. C'est pas le même contexte. Mais même euh, Ségolène Royal en France, c'était la même chose. L'homme n'est pas encore éduqué pour accepter la femme à côté de lui, pour partager certaines tâches. Ça, je le maintiens. Vous voyez Donc, on passe. Maintenant, par rapport aux violences, les responsables, bien sûr, il y a l'homme grand tâche mais il y a l'homme tout court. Parce qu'il ne veut pas du tout avoir une femme qui lui tient tête. Aujourd'hui, regardez, il y a des universitaires qui ne trouvent pas de mari. Pourquoi Parce qu'elles ont acquis, elles ont acquis une certaine euh, euh, comment ah un, certain niveau intellectuel, un certain niveau intellectuel, un certain prestige, mm. un certain prestige, de sorte qu'elles ne vont pas se faire piétiner par un homme. Vous voyez Donc elles sont là. Ah moi je n'épouse pas celle-là, c'est un homme elle-même. C'est ce qui se dit. C'est un homme elle-même. Vous voyez mais quelle est la responsabilité de la femme dans ces gens? La responsabilité de la femme, c'est uniquement parce qu'elle est partie étudier elle veut avoir un niveau élevé. Vraiment, faites un tour au campus là. Vous allez voir des filles qui ont 35 ans, 40 ans qui ne sont pas mariées. Parce qu'on a peur d'elles. Parce qu'elles ne seront pas euh, subordonnées, elles ne vont pas rester à, faire le ménage, à faire la cuisine et à élever des enfants. Tout simplement, elles peuvent faire les deux. Les deux hein. C'est le rôle d'une femme d'élever des enfants et tout. Mais jusqu'à présent, notre population n'est pas encore d'accord avec ça. On va, on va, on va aller euh, un peu avancer pour dire que parmi les types de violences dont vous avez cité, faites aux femmes bien sûr, uh-huh. au Niger on peut citer les mutilations génitales féminines qui concernent les jeunes filles. On trouve ces pratiques dans plusieurs régions de notre pays. Fatima Rico, auteur, compositeur et interprète, a été victime de cette pratique. Elle a bien voulu témoigner au micro de notre reporter Rahil Soumana. Dans nos coutumes, on pratique l'excision. Je ne peux pas dire que c'est tout le village qui pratique, mais quand même, des deux côtés de mes parents, on pratique l'excision. Du côté de ma maman, c'est dans la région de Saï et côté paternel, c'est au Mali. Vous êtes victime de cette opération. Avez-vous souvenance euh, de ce moment-là C'est un moment qu'on n'oublie jamais. On ne l'oublie jamais. J'avais euh, presque sept ans et je sais que l'exciseuse est venue du Mali. Est-ce que c'est mon père qui l'a appelé pour venir nous exciser Est-ce que c'est nos mamans qui ont demandé qu'on nous excise Je ne sais pas. En tout cas, c'était toutes les filles de notre concession. Quel euh, instrument cette euh, exciseuse-là a-t-elle euh, utilisé Une lame, oui, une lame de rasoir. En fait, une fille de 7 ans qui ne sait pas ce qu'on est venu lui faire, on l'attrape juste le matin et puis on l'amène, on, lui coupe une partie de son corps. Les premières conséquences, c'est la douleur ressentie. Et puis euh, à l'âge là, voir couler du sang, c'est vraiment un traumatisme pour une petite fille. Moi, le saignement n'a pas duré, mais parmi mes sœurs, il y a eu euh, celle qui était plus âgée, qui avait eu beaucoup de saignements jusqu'au lendemain, elle saignait encore. Le problème que j'ai rencontré, c'est surtout pendant l'accouchement. Chaque fois que j'ai une grossesse, le travail dure plus longtemps que quelqu'un qui n'a pas été excisé. Que faites-vous pour lutter contre cette pratique dans votre entourage En tout cas, tous ceux qui sont à côté de moi qui pratiquent l'excision, J'essaye toujours d'attirer leur attention que c'est une pratique qui n'est pas bonne pour euh, la fille et je leur explique les problèmes qui peuvent arriver à la fille. À part ça, j'ai eu la chance de faire un film sur ma propre expérience je vais souvent dans les villages, je projette le film et puis je discute avec les villageois là-dessus. Nous venons de suivre Fatima Rico, auteur, compositeur et interprète euh, qui a été victime de l'excision. Madame Wassa, euh, nous revenons au studio avec vous. Pour vous, qu'est-ce que vous, en tant que femme, est-ce que cela vous donne comme réaction d'écouter une victime de l'excision qui est quand même une forme terrible de violence En tout cas, elle est très courageuse. Parce que euh, venir euh, expliquer comment elle a été excisée et les conséquences qu'elle a subies, je trouve que c'est très courageux. Et aujourd'hui, ce film-là, il a fait beaucoup d'effets aux femmes. Parce qu'en réalité, quand on projette le film, les femmes. Il y a eu un film sur Fatima. Oui, elle a fait un film de témoignage. Parce qu'en fait, les femmes ne savent pas que l'excision a des conséquences pareilles. Hmm? D'abord l'hémorragie, le choc, la douleur, et ensuite les conséquences obstétricales. Pour accoucher, c'est toujours un tas de problèmes. Elle, elle a eu la chance même de n'avoir pas une fistule. Vous savez, une fistule, c'est quand les gens versent l'urine, les femmes perdent de l'urine. Parce que l'excision a ces conséquences-là. Parce que quand on excise une femme, elle ne peut pas accoucher normalement. L'enfant ne peut pas passer normalement de sorte qu'elle perd son enfant et elle, elle a des conséquences. Euh, de fistules. Vous voyez Donc je trouve que c'est très courageux. Et en plus, le film est le bienvenu parce que on fait la lutte contre l'excision. Mais jusqu'à aujourd'hui, il y a des régions comme Tilaberi, comme Saï, qui continuent à faire l'excision. Makalondi, vous voyez, c'est le fief là-bas avec les gourmandiers. Enfin, les nigéro-gourmandiers parce que c'est une frontière entre les C'est révoltant. Comment J'ai dit c'est révoltant. C'est révoltant. Et comme elle dit, on prend la petite fille un bon matin, on lui demande même pas de son avis, et on va, on, lui coupe le clitoris. Vous êtes une Oui, euh, moi je suis vice-présidente du CONIPRAT. Qu'est-ce que vous avez fait dans le domaine Bon, dans le domaine, on continue à sensibilisation. Même là, la semaine là, j'irai à Makalondi pour euh, participer à une déclaration publique. Parce que les villages qu'on sensibilise, on leur demande maintenant de prendre l'engagement de ne plus faire d'excision. Donc c'est ça qu'on appelle la déclaration publique. Donc tout un village vient, il déclare sur l'honneur de ne plus faire l'excision. Donc vous voyez, ce sont des actes concrets. Hein. Euh, Monsieur Wali, vous qui êtes sur le terrain avec les acteurs, vous êtes sociologue, euh, pourquoi on n'arrive pas à arrêter ces types de violence Ça fait quand même longtemps qu'on parle d'excision, qu'on essaie de sensibiliser les populations. Tout, à fait. Donc, le phénomène persiste toujours. En fait, c'était un problème culturel. Dans certains milieux, c'est la culture. Pour eux, eh, quand la fille est excisée, elle n'a plus envie d'homme. Oh, donc, ça éviterait les grossesses indésirées. Parce que quand la, la, fille est excisée, elle n'a plus besoin d'homme, donc elle n'a pas besoin de faire des rapports avec un autre homme. Donc ça va l'éviter de faire des grossesses indésirées hors mariage avant de se marier. Donc c'est pourquoi jusqu'à une certaine date, certaines coutumes, certaines traditions, certains milieux continuent à l'exercer. Et sans savoir que ça a des conséquences sur la santé de, de l'enfant sur lequel euh, l'excision se fait. Il y, a, il y, a, une loi sur l'excision. Il n'y a, pas de loi, mais il y a le code pénal à son article 253, je crois, 53, 50, 56, qui a été amendé, qui, qui punit cette pratique-là. Tout celui qui exerce, si on le prend, il est, il il eh, il il est emprisonné de 6 ans, 5 à 6 ans, avec une amende, assortie d'une amende. mais madame, vous dites que le phénomène persiste, malgré la loi. je reviens euh, sur ce que Wali a dit. L'excision est faite pour rendre la femme fidèle. Ce n'est pas uniquement la jeune fille. Mhm. C'est parce qu'on pense qu'une fois qu'elle sera mariée, elle restera fidèle à son mari. Parce que son organe érogène est enlevé, donc elle n'a plus envie d'homme, etc. Donc c'est vraiment dans le but de rendre la femme fidèle. Et maintenant, la loi qui existe depuis juin 2003, et effectivement, c'est le code pénal qui a été amendé. on a mis cette loi avec euh, les viols, etc. Mais l'excision, c'est une mutilation. Si vous prenez le dictionnaire, vous regardez mutilation, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on diminue l'individu. Quand quelqu'un est mutilé de la jambe, ça veut dire qu'on lui a coupé la jambe. Donc la mutilation, c'est quelque chose d'important, on diminue. Et ça, même dans le Coran, c'est puni. Quand vous coupez l'oreille à quelqu'un, on doit vous couper l'oreille. Vous voyez Donc c'est une mutilation faut pas oublier ça. On va écouter, on va aller à Maradi après Doussou, euh, après du moins ce, témoignage de Fatima Rico. Maradi qui dispose d'un centre d'écoute des femmes victimes de violence. C'est un centre mis en place par l'ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences Conjugales. Objectif, écouter ces femmes afin de les orienter vers les services à même de mieux prendre en charge leurs plaintes. Et selon le responsable du centre, les plaintes reçues tournent généralement autour des violences physiques et du viol. Boubacar Mousharouna, au micro de notre correspondant Maradi Mohamed Maman. Ici, la plupart, on, reçoit les femmes. C'est les femmes qui viennent se plaindre euh, ici. La plupart, c'est les cas de violences physiques. Euh, il y a aussi les cas de viols. Il y a aussi les mariages euh, forcés ou bien précoces. c'est ce genre de cas qu'on reçoit ici, au niveau de notre centre d'écoute. Comment vous les écoutez On les écoute euh, attentivement. Donc, euh, la femme se présente ici. On lui donne l'occasion de se présenter son nom, son prénom. Après, elle raconte son problème après avoir écouté, on, oriente la femme dans les différents services. Par exemple, si c'est un cas de violence euh, physique ou bien viol, la plupart, euh, on oriente la femme au niveau de la direction de la police. une fois là-bas, c'est eux qui vont continuer le processus. Donc nous, à notre niveau, on fait les, les suivis pas à pas pour voir si, si la femme est satisfaite euh, ou pas. En moyenne, vous recevez combien de femmes par jour Bon, ça dépend. Parfois, par jour, on peut recevoir 2 euh, à 3 cas. Mais il y a des jours, parfois, il y a des, beaucoup de cas, on peut même avoir plus de 3. Est-ce que ces femmes qui euh, se plaignent de, de violences physiques viennent souvent avec des blessures, avec... Oui, certaines femmes euh, viennent avec euh, les, symptômes, d'autres ce sont des anciens cas. C'est-à-dire, euh, c'est un problème qui s'est passé plus de 3, 4 jours après, elle, elle vient ici pour se plaindre. selon vous, quelle est la situation Est-ce que ça prend de l'ampleur à Maradi Effectivement, cette situation prend de l'ampleur ici à Maradi en tout cas surtout les cas de, les cas de mariage euh, forcé ou bien précoce. Il y a aussi les viols, il y a aussi euh, les cas de violence physique. Ah, dans, les cas de viol, on arrive à trouver l'incriminé, vous arrivez à suivre jusqu'à trouver celui qui a fait le viol euh, Oui, la plupart des auteurs sont, sont incarcérés au niveau de la prison, euh, les cas, les cas des viols. ce qu'on a des, cas de viols où les, euh, présentement les auteurs sont en prison. Voilà, vous venez de suivre euh, le point sur la situation des violences physiques et de viols là-bas dans la région de Maradi. Je voudrais demander à Wali, qui est le sociologue, est-ce qu'il y a un dispositif réellement, au-delà de ce centre d'écoute, qui est mis en place et qui est fonctionnel et qui agit en conséquence pour prévenir ce type de violence Bon, dispositif, il n'y a pas de dispositif. Peut-être que tout à plus, il y a un seul agent. En dehors de la loi dont on fait pas cas Bon, en dehors de la loi qui fait qu'on fait cas, euh, il n'y a pas de dispositif. Il n'y a pas de dispositif parce que, comme je l'ai rappelé tout début, c'est un problème de moins. Normalement, euh, l'individu qui se présente avec sa plainte pour dire qu'il a été victime d'une violence devait avoir en face de lui trois personnes un psychologue, un médecin et, et celui qui doit l'écouter. Donc, on lui fait un dossier, on l'oriente vers les juridictions. Donc, il est pris en charge complètement par le centre. Or, le centre ne dispose pas de moyens. Quand on va regarder ce centre-là, tout au plus, il n'a même pas de médecin, il n'a même pas de psychologue. Hein? C'est peut-être tout au plus un agent qui est là, qui est même un agent secondaire, parce que peut-être un agent de l'État qui vient de temps en temps faire la permanence. Je ne connais pas euh, l'architecture du centre, mais je sais que c'est comme ça, peut-être les Parce qu'ils n'ont pas les moyens pour prendre un, salarié, un salarié pour le centre. Parce que c'est une, ONG que je connais très bien. Mais normalement, si on prend la règle, le centre devait être équipé au moins de trois personnes un psychologue, un agent de santé et un agent qui va l'écouter et l'orienter vers ces différents agents-là pour pouvoir vraiment l'accompagner. Mais malheureusement, il ne manque de moyens fait que le centre ne fonctionne pas euh, en entier. Pour le cas de Maradi, c'est une région qui ça ne m'étonne pas. Euh, je passe sur le contrôle de Madame euh, euh, nous, nous avons travaillé à, la congrégation trois ans durant à Maradi pour lutter contre les violences, principalement les mariages précoces, parce que c'est une région qui est fortement et, comment on appelle ça tributaire des, tributaire mariages, précoces. Hein. Parce que très vite, la fille est arrachée. D'abord, elle est, elle d'abord balancée dans, dans le tas là qu'on appelle le talas, c'est-à-dire euh, elle prend les petits objets là, euh, la, vente aux enchères, quoi, enfin, à la criade. D'accord Après, à 12 ans, elle est, mariée. Il était arrivé même à un moment où nos, cousins Mogobri faisaient un type de mariage, je peux dire, économique. Quand tu maries la fille, sa, ta belle famille va t'amener dans la moto, des nourritures pour un an, on te, donne même de l'argent. Après un an, tu divorces la, femme. Tu vas encore chercher une autre. Donc c'était vraiment à but économique qu'ils prennent la, femme. Hein. Donc, voyez-vous, tout ça là, c'est des violences. Parce que parfois, tu lâches la personne un an après un enfant et sa famille va, la prendre en charge avec, ton enfant. Parfois aussi, c'est après avoir cultivé le mil, le grenier est plat, on divise le, contenu là par quatre, on lui donne, on lui quelques bottes de mil, on dit bon, allez, vas-y chez toi. Et le monsieur procure de, cette récolte-là. Euh, Madame oui. on a parlé du dispositif, euh, Monsieur Ouali a parlé du dispositif qui n'est pas très fonctionnel. Je veux parler du dispositif de prévention, mais aussi de traitement de la question des types, euh, des, types de violences. Pourquoi ces dispositifs ne, marchent pas Puisqu'il y a quand même eu beaucoup de luttes. La lutte ne date pas d'aujourd'hui, j'allais dire. Moi, je pense que c'est vrai. Il n'y a pas un dispositif vous euh, opérationnel. Mais les filles ont pris conscience maintenant. Moi, personnellement, je vous assure, il y a des filles qui me téléphonent. Je ne sais même pas où elles ont eu mon numéro de téléphone on veut me marier, je ne veux pas de ce type-là. Aidez-moi. On les a... de, tous les coins du, Niger Non, du lycée, non, peut-être pas du coin de Niamey. Celles, qui, ont eu la chance d'aller à l'école. Oui, oui. Hein, et les gens qui sont au courant de ce genre de mariage précoce ou en tout cas forcé, ce sont les directeurs d'école. Parce que le directeur d'école va constater l'absence de la fille ou son comportement et lui demander qu'est-ce qu'il y a, à on veut me marier. Et je vous assure qu'avec la on a pu sauvegarder beaucoup de filles comme ça. Nous, quand elles nous téléphonent, on les oriente vers la FGN, l'Association des femmes, des du Niger. Voilà. Donc, elles vont là-bas et on essaie de sauver la situation. Sinon, les violences, là, très souvent, les gens ne veulent pas en parler. C'est pour ça, nous, dans nos, nos, recommandations, nous demandons à ce qu'il y ait des cadres pour que les femmes échangent entre elles. Hmm? Des associations même des, des, des, des Mais le cadre existe quand même, non Non, le cadre existe, mais il n'est pas, il est informel. informel. Il est informel. Donc ce qu'on demande, c'est qu'il y ait des cadres de concertation pour que les femmes puissent parler. Vous savez, pour une femme, dire à quelqu'un qu'on la table, c'est une honte. Elle a honte de le dire. Très souvent, elle cache. Sauf quand on la voit avec des coups, de blessures. Mais là, dans ce cas, qui faut interpeller Est-ce que c'est les femmes elles-mêmes Est-ce que c'est les autorités Non, les autorités. Que, qui doit Il euh, faut interpeller les autorités. D'abord, les médecins qui constatent les blessures, il faut qu'ils aient des fiches pour recenser exactement quel type de blessure la personne a présenté. Les juridictions, les policiers. Parce que souvent, les femmes vont. Nous, on a eu plusieurs fois. Une fois, on a à la Congafen une femme qui, qui est venue dormir là-bas parce que son mari l'a chassée en pleine nuit avec un petit bébé, je ne sais pas, un petit bébé de, deux ans. Oui. Alors, euh, le gardien me dit, vous avez une étrangère. J'ai dit, comment ça Il me dit, oui, une femme qui a dormi ici. Parce qu'en passant, elle a vu la pancarte euh, ONG de femmes, elle est venue dormir là-bas. Hmm, ça, c'est celle qui ont la, d'aller à l'école. oui. les autres. Non, elle n'a pas été à l'école. Ah, ou du moins très peu. CP ou des trucs comme ça. Pour celles qui n'ont même pas entendu parler. Oui, mais celles qui n'ont pas entendu parler, il faut des lois. Mais des lois qui s'appliquent. Parce que le problème du Niger, il y a des lois, même la loi euh, sur l'excision. on voit des femmes qui font l'excision, on les attrape, les exciseuses, on les amène jusqu'à Niamey. Hein? On met la police derrière, après on les relâche. C'est pas appliqué parce que l'excision est une pratique Mais qu'est-ce que faut-il faire pour avancer rapidement euh, en termes de progrès, pour qu'on ait des euh, résultats, que quand même l'excision disparaisse complètement Oui, c'est vraiment une chance. Il y a des structures qui sont très dynamiques ils sont très dévoués, mais qui manquent de moyens. Si ces structures-là sont dotées de quelque peu de moyens, il va avoir vraiment beaucoup de, résultats. Parce qu'il y a des sensibilisations qui sont faites. Il y a des informations qui sont faites. Avant, là, parler de, de violence faite à la femme, c'est même un tabou. Mais maintenant, les femmes ont de plus en plus commencé à aller déclarer, dénoncer les violences. C'est vraiment un exploit. C'est tout ça là, c'est les, les résultats des sensibilisations, c'est les résultats des formations qui ont été faites à l'endroit des femmes. Même si la femme ne va pas, elle se confie à quelqu'un qui va aller. Donc il y a des centres d'écoute, il y a des centres d'accompagnement. Vraiment, c'est une chance pour nos sœurs, pour nos mamans, quand elles sont violentées, d'aller vers ces centres-là pour se faire vraiment prise en charge. Et puis l'État ou les partenaires techniques et financiers doivent continuer à accompagner ces structures-là plus que pour pouvoir vraiment diminuer et pas dire arrêter complètement, mais diminuer cet, mais, type de violence. Que faut-il faire dans un, dans, dans, un village ou dans une, dans un centre où il y a, dans une localité où il y a, il a pas la question de l'éducation n'est pas prise en, compte ou la sensibilisation. Il y, a toujours, il y a toujours des sensibilisations. Fait parce défaut. Que, il y a toujours des sensibilisations parce que maintenant, la chance au Niger, c'est que nous avons des radios communautaires, des radios de proximité. C'est-à-dire, à travers ces radios de proximité, s'il y a des sensibilisations qui sont faites et qui sont répercutées vers ces radios-là, qui sont des relais de proximité, ça peut permettre vraiment de ticker nos soeurs, nos mamans, que vraiment il y a des structures vers qui on peut aller se plaindre quand on est violenté. Il y a des structures d'accueil, il y a des structures d'accompagnement. Même la police maintenant, de plus en plus, a commencé à prendre en charge les violences. Parce que moi, je me rappelle quand on était à la, euh, à la chaque année, on prend un certain nombre de policiers qu'on amène à une formation qu'on appelle la formation sur les droits de l'homme. Donc les, les, policiers, les, poids habillés, la police, la garde, la gendarmerie ont commencé de plus en plus à prendre en, charge les personnes violentes. Avant, quand tu étais une femme qui se présente, on dit non, non, non, vas-y, c'est tout à fait normal que ton mari te fasse parce que vous êtes, euh, tu vous êtes quelque chose comme ça, je me permets, entre parenthèses, quoi. Mais maintenant, de plus en plus, la femme est écoutée, on, l'apprend, on, l'accompagne, jusqu'à un certain niveau, on, met, on la met à la disposition de la, des Madame Wassa, pour conclure rapidement, quel espoir vous avez de voir euh, la violence faite aux femmes finir un jour au euh, Niger L'espoir que j'ai, c'est que ces violences-là diminuent. Et comme Wali l'a dit, il faut que les partenaires financent. Même dans les villages, on peut faire des centres d'écoute. Il y a les radios communautaires. Vous, radio étant ici, vous pouvez travailler avec des radios communautaires. Vous pouvez euh, parrainer des radios communautaires. Nous, nous les avons formés, par exemple, sur les conséquences de l'excision. Parce qu'en réalité, les gens ne savent pas que quand ils tapent une femme, c'est une violence. Ils pensent que c'est normal. Donc, il faut former les leaders d'opinion, les marabouts, les journalistes, les femmes, leaders. Parce que parmi les femmes, il y a des leaders. Mmh. Donc, il faut les former pour qu'elles sachent que la violence, ce n'est pas indu. Hein? On ne doit pas violenter quelqu'un. C'est, on a droit à la liberté comme tout le monde. Et ce que je vous dis, ces violences-là, leurs conséquences, c'est surtout sur la santé la santé psychologique même. Une femme qui est violencée, elle, elle n'est pas tranquille, elle est, elle est agressive, elle est nerveuse. Sans compter maintenant les conséquences sur la santé. Vous avez des maris, quand une femme est enceinte, c'est sur le ventre qu'il tape. Et il y a des conséquences. L'enfant est petit, mm. ou bien elle accouche avant terme. Donc, vous voyez, ils veulent toucher ce qui est sensible à la femme. La femme, son bébé là qu'elle a, c'est très sensible pour elle. Donc, le mari tape dessus. Ah, vous voyez, donc, il faut que vous, vous parrainez les radios communautaires. Merci beaucoup. Euh, donc nous avons parlé, euh, ainsi prend, euh, nous avons parlé du thème de l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Nous avons parlé du cas du Niger particulièrement. Je voudrais remercier Madame Wassa Diataou, qui est de la Congafen pour s'être présentée dans nos studios. Monsieur Wali, sociologue, merci d'être venu. Ainsi prend fin ce forum de ce lundi 5 décembre. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un autre thème. Bonne soirée.